D'abord, féliciter euh, l'action du gouvernement par l'intermédiaire de M. le Président de la République qui, depuis 2014 déjà, a instruit disons, l'ensemble de, sa politique par euh, la structuration de l'économie informelle. Et ça, c'est, euh, il y a des avancées significatives et avec l'appui des partenaires, nous, en tant qu'organisation, nous soutenons cette politique. C'est quoi En formalisant nos activités, en formalisant nos entreprises, ça va pousser même les gens à investir dans l'industrie. Ça va pousser aussi à la création d'emplois. Au moment où euh, certains jeunes, disons, risquent leur vie dans les océans ou bien dans le désert, si nous suivons l'État dans cette politique, je peux vous assurer que euh, l'économie informelle peut absorber une majeure partie des chômeurs, des jeunes, mais surtout des femmes. Puisque les femmes, dans tous les départements du Sénégal actuellement, s'investissent dans la transformation des produits locaux, s'activent dans le mariage, dans la pêche au niveau des marchés et méritent d'être encadrées. Et ça, il y a l'État qui a une volonté politique, mais il doit y avoir aussi des partenaires qui accompagnent dans le domaine du financement, de l'encadrement de la formation, de l'orientation. Et nous, en tant qu'organisation, tout le monde sait que ça fait partie de notre politique aussi, parce que notre premier partenaire, c'est l'État du Sénégal. Mhm. Euh, Sénégal à grande mais Afrique mais li ñu concerne Sénégal surtout loolu ñuy wax exode dafa tax ba nit ñi dajaloo ci dëkk yu mag yi loolu nag dafa am lu ñuy wax survie ndax ku nekk foo nekk da ngay xëy di liggéey di ñàq ngir am teraanga léegi loolu nag buñ ko defee muy métier muy li ñuy wax kaay mu kaayaatu noonu lañ koy kaay mu kaayaatu ku leen jàppale segam bu leen jàppalewul sax ñu dem boo leen jàppale ci lay gën a gaaw ñu nekk commerçant yu structuré dem tribunal parce que fi ne xam nga fi doon ministère mënul joxe registre de commerce tribunal moo joxe registre de commerce waaye ministère daf lay encadré pour nga am yeneen kayit yi ci topp muy ñu ne yaa ñu identifier la ngay liggéey nag war a fay impôt mais kii fay impôt day fekk ñu identifier ko xam ko léegi na loolu boo ko boolee état bi dafa def politique pour accompagner ñooñu surtout jeunes yi surtout jigéen ñi loolu mooy njëriñul ñëpp ndax day créer emploi ndax yow léegi boo duggee ci bu duggee ci métier boobu créer bi nga njëkk a mooy yow léegi soo góor ñu encadré da ngay créer yeneen emploi lool nag su amee bu saxee ñii euh, rey euh, sa dugal seen bakkan ci mas ci kii bi ci mbëkk mii wala di jaar ci désert bi di dem c'est parce que dañu gisul lu leen téye léegi lu leen téye nag mën naa wax ne président la république tàmbali na ko en tout cas depuis 2014 fekkoon na sax ay politique mais daf ko indi lu bees ba ne léegi li PSE ñetti tànk la tànk bi ci njëkk mooy accompagner économie informelle léegi nag loolu ñun organisation yi ak ñeneen pare nañ surtout nag révolution dafa am mooy gouvernement bu mujj bi dafa def ministre dédié artisanat nga xam ne dafa yaatu laal na ci tourisme lépp mais ba mu ne transformation économique informelle moom suñu suñ njaatige la donte ñun ci ministre commerce lañ aju moom suñ njaatige la te ñu ngi ciy waxtaan pour lii di faral di am mais surtout nag ñu ngi koy wax ci langue wolof communication la Bonjour, je m'appelle euh, Draman Aydara, je suis le directeur euh, de l'équipe d'appui technique de l'OIT au travail des sangs euh, pour l'Afrique de l'Ouest, en même temps aussi directeur du bureau pays pour le Sénégal. Merci beaucoup. Aujourd'hui, quels sont les... Disons, d'abord, est-ce qu'on peut avoir quelques statistiques pour le Sénégal en ce qui concerne l'économie informelle oui, tout à l'heure, dans mon, dans mon exposé introductif à cet atelier de lancement de la stratégie euh, de formalisation de l'économie informelle. J'avais donné quelques, quelques chiffres. Et aujourd'hui, euh, si nous prenons euh, à travers le, monde, d'abord, plus de, de, 80 à 90% des actifs sont dans, dans l'économie informelle. Et si nous prenons un pays comme le Sénégal, il y a au moins 90% des travailleurs qui exercent dans, dans l'économie informelle. Donc tout ceci pour dire que c'est un secteur une économie extrêmement euh, importante au niveau de nos, pays. C'est la raison pour laquelle euh, la plupart des pays aujourd'hui à travers l'Afrique singulièrement, mais aussi à travers le monde, y compris euh, le Sénégal, ces pays se sont investis et se sont engagés dans les processus de formalisation de cette économie. Quels sont aujourd'hui les défis à relever Les défis à relever, ils sont les suivants. Parce qu'on disait tout à l'heure, que cette économie représente la part essentielle de l'ensemble de l'économie nationale plus de 90% des actifs exercent dans, l'économie informelle. Mais c'est à ce niveau aussi où vous avez un certain nombre de, conditions euh, de production, de conditions de, travail et d'accès au marché qui ne, sont pas, qui, ne sont, qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas là. Et donc, comment accompagner les acteurs de l'économie informelle, les acteurs au niveau de l'artisanat, au niveau du commerce, mais même souvent au niveau des grandes entreprises, nous avons une part de l'informalité. Et donc, comment accompagner ces unités de production, mais aussi ces acteurs à aller vers la formalisation Du point de vue de la formation, du point de vue de l'accès au marché, du point de vue des conditions de travail, ça nous semble aujourd'hui extrêmement important. Nous, en tant que BIT, nous nous sommes intéressés à cette question de l'informalité pour la simple raison que nous avons constaté, si aujourd'hui nous voulons promouvoir des emplois, et singulièrement l'emploi des jeunes dans les pays africains, il faut commencer par le secteur informel et assurer sa formalisation. Mais ça passe par des étapes. C'est pourquoi il y a une recommandation internationale qui a été adoptée par l'ensemble des États membres de l'Organisation internationale du travail. C'est la recommandation 204 qui parle de transition de l'informel vers le formel, parce que ça doit être un processus progressif. On ne peut pas euh, tout de go euh, dire à toutes les entreprises informelles de se formaliser. On ne peut pas dire à toutes les entreprises de l'informel commencer à payer des impôts tout de suite. Donc, ça doit, se préparer et ça doit se faire de manière euh, progressive. Maintenant, comment y arriver La recommandation 254 de l'OIT explicite de manière claire les étapes par lesquelles nous devons passer pour aller de l'informalité vers la formalité. Merci beaucoup. Thank you.